C'est une colonie de vacances de l'excellence qui a donc pour objectif de récompenser les élèves qui, durant l'année scolaire, se sont distingués de par les résultats qu'ils ont obtenus. C'est la raison pour laquelle nous avons une liste de 35 élèves choisis parmi les meilleurs au BFM, parmi les meilleurs au concours départemental, et parmi les meilleurs au CFE. Donc nous avons sélectionné ces élèves-là pour justement leur offrir une colonie de vacances en Gambie sur une durée de 15 jours. C'est une caravane dont il faut se féliciter parce que le bailleur, en tant que Rufisquois ayant fait ses humanités à Rufisque, a voulu montrer l'exemple en mettant ses moyens à la disposition de l'éducation pour encourager les meilleurs élèves à faire partie des meilleurs. Donc, ce faisant, il cultive l'excellence comme il l'a été lui durant tout son cursus. c'est un partenaire que vraiment l'éducation cherche et dont nous nous félicitons. Donc, c'est le but de créer l'excellence euh, à travers euh, sa trajectoire où il a été excellent à l'école primaire, au lycée et à l'école polytechnique. Donc, il veut inculquer cette même trajectoire euh, à ses enfants qui sont euh, qui à travers qui sont remarqués euh, à travers les examens parce qu'ils sont les meilleurs de la circonscription. Donc c'est la première initiative c'est créer l'excellence à travers son image. Et à partir de cela, il veut aussi que les enfants puissent être des ingénieurs, des docteurs, la crème du Sénégal et qu'il soit des Rufisquois. Et à partir de cela, cette initiative arrive aussi à prendre une couverture nationale et internationale. Alhamdulillah, rabbil alamin xanaa rafetlu ko rek di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi ndax man c'est la première fois sama dom dem ci wante wax deug ya rafet lu nañ ko bu baax rafet na torop ndax bokk na ci li encourager xalé yi pour ñu gëna gor gorlu parce que bu ñëk jigéen yi rek ñoo ëpp a doole ci ñi nga xam te ne ñooy dem ci yu mel nii ba affaire yi jàll wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla teg si yoonu jàmm ñi nga xam te ñooy def affaire bi tamit yàlla may leen gudd fan ak wér wéral leen ba ñoom ñi ñu yóbbu beneen yoon ñoom ñuy def comme ki kii di leen yóbbu comme ñoom niñ koy defee. Je suis très contente de notre félicitation et de ce que l'inspecteur nous offre pour cette colonie de vacances de l'excellence en Gambie. Je pense que nous allons visiter beaucoup de choses en Gambie, faire beaucoup de découvertes aussi.